le forum du studio le forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h16 minutes. Euh, merci d'être au rendez-vous du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions, mais aussi des localités d'Arlit, Filengue, Birningaouri, Chirozeri, Mainasoroa, Magaria, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. Dans le forum de ce jeudi 21 décembre, nous vous verrons le point sur la marche suivie de meetings organisés hier soir par une partie de la société civile nigérienne pour dénoncer, dit-elle, la mauvaise gestion du régime en place. La manifestation a drainé beaucoup de monde vous entendrez tour à tour les organisateurs, l'opposition FRDDR qui a bien voulu les accompagner, trouvant la démarche convaincante. Mais avant, si la technique nous le permet, nous allons joindre à un, autre acteur de la société civile qui, lui, n'a pas participé à cette manifestation qu'il considère inopportune. Il s'agit de Abdelmaman Lokoko du réseau des organisations du secteur de l'éducation Rosen. Ce forum, c'est aussi une page éducation avec la signature mardi dernier d'un protocole d'accord entre le gouvernement et le syndicat national des enseignants contractuels de l'enseignement secondaire, SINACES. Un protocole qui met fin à la grève qu'envisageait d'observer le SINACES pour la satisfaction de sa plateforme revendicative. Vous aurez les grandes conclusions de cet accord avec le secrétaire général du SINACES, Thiemou Yahya. Un mot aussi sur l'organisation de la dixième édition du FIMA de la semaine dernière à Agadez. Le thème, c'était Éducation, industrie pour une Afrique de métissage et de paix. Le promoteur du FIMA pense que cette dixième édition s'est très très bien déroulée. Nous terminons avec du sport et c'est pour découvrir une discipline peu connue au Niger, le triathlon. Pour en parler, nous avons reçu hier soir M. Abdoulaye Moutari Chetima, directeur technique de la Fédération nigérienne de triathlon. Oui, la place de la concertation de Niamey était hier soir bondée de monde, un monde qui répondait à l'appel d'une partie de la société civile nigérienne qui appelait à une marche dite citoyenne objective dénoncer l'incapacité du régime à bien diriger le pays. La manifestation a commencé de la place Toumo à la place de la concertation et elle a fini avec un grand meeting populaire. Moussa Tiangiri est l'un des organisateurs de la marche. Il explique les raisons pour lesquelles ils ont choisi de manifester hier soir. Euh, c'est une marche, c'est une expression citoyenne, c'est un espace euh, d'expression qui a été mis en place. Manifestation vise euh, avant tout à donner la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur la marche de leur pays, sur un certain nombre de questions qui constituent des préoccupations pour tout le monde. Alors, c'était quoi l'objectif de cette marche bon, L'objectif de la marche, euh, c'est d'abord euh, s'élever contre euh, la façon dont le pays est en train d'aller à la dérive, dérive sur le plan politique, dérive sur le plan économique, dérive sur le plan social. Devant cette situation-là, nous avons estimé qu'il est de notre devoir, en tant que citoyens, en tant qu'organisation de la société civile d'appeler à une manif. Nous avons mis en avant un certain nombre de questions parmi lesquels vous avez des questions liées à l'éducation, le secteur de l'éducation qui aujourd'hui est dans un état de déliquescence euh, très poussé et c'est une source vraiment d'inquiétude pour euh, tous les citoyens soucieux de l'avenir de ce pays. nous voyons aujourd'hui l'école publique qui est devenue pratiquement l'école euh, des enfants de pauvres, une école où des gens peuvent rester pendant des années sans rien apprendre. Nous sommes aussi préoccupés par la situation de la jeunesse, euh, la jeunesse euh, qui euh, n'a pas d'emploi. Ils veulent partir, mais là également, on voit un peu l'engagement du, Niger dans ce qu'ils ont, ce que le président a appelé l'immigration clandestine. On, met des barrières pour empêcher aux gens de partir. Ça veut dire que vous êtes contre cette lutte contre l'immigration clandestine Ben oui, nous sommes contre euh, pour une raison tout à fait simple, parce que nous considérons que la mobilité est un droit, que les gens ont le droit d'aller où ils veulent. Euh, il y a des instruments juridiques internationaux qui consacrent ce droit-là, et donc euh, nous ne sommes pas euh, d'accord qu'on parle de la migration comme quelque chose de clandestin. ce qui le rend clandestin, c'est justement cette soi-disant lutte. C'est ça qui rend la migration clandestine. Donc nous, ne sommes pas d'accord avec euh, d'abord la vision qu'il y a de la migration, mais aussi les moyens, la façon dont on veut soi-disant lutter contre ça. Alors vous êtes d'accord euh, avec le fait que ces jeunes partent en aventure sans savoir où ils vont et sans papier Pour nous, les gens ont le droit de partir où ils veulent. Et puis qui vous dit que les gens n'ont pas de papier Les papiers qu'ils n'ont pas, c'est les visas. Peut-être qu'ils n'ont pas, pour ceux qui veulent aller vers l'Europe ou vers d'autres pays. Mais ils n'ont pas les visas pourquoi Parce qu'on les empêche, parce qu'on a on a rendu ça inaccessible pour eux. Sinon, je pense que les gens qui se déplacent ont au moins des pièces euh, d'identité. Et s'ils n'ont pas aussi, c'est la responsabilité des États de faire en sorte qu'ils aient des papiers. Est-ce que nos États ont mis en place des systèmes d'État civil fiables quel effort est fait dans ce domaine-là. Donc, ils ne peuvent pas faire comme si on a distribué des papiers à tout le monde et que certains ont décidé soit de brûler ou de jeter les leurs et de se balader sans aucun papier. Le Niger n'est pas un pays de, migration, mais de transit, un pays de transit. Quand on dit le Niger n'est pas un pays de migration, c'est totalement faux. Vous avez aujourd'hui des milliers de Nigériens, des millions de Nigériens qui sont installés dans d'autres pays et qui sont des migrants. Donc on ne peut pas dire que le Niger est seulement un pays de transit, comme si donc euh, c'est pas aussi un pays d'accueil, parce qu'il y a des gens qui quittent leur pays, qui viennent travailler, vivre au Niger. Vous n'êtes pas un taux élevé comme les autres pays Non, bien sûr que il y a toujours des différences. il ne dit pas qu'on est le champion. C'est que, c'est que nous n'acceptons pas. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement veut faire On met en place un dispositif pour empêcher aux gens d'aller au-delà en fait d'Agadez, en disant oui, ces gens-là, si on les laisse passer au-delà d'Agadez, ils vont aller vers la Libye, vers l'Algérie, mais ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont certainement aller vers euh, l'Europe. Comme si tout celui qui va en Algérie, son projet, c'est forcément d'aller vers euh, l'Europe. Et comme si l'Europe, en fait, il est interdit d'y aller. Comme si c'est un endroit où les gens ne doivent pas penser à aller. Comme si c'est un délit, c'est un crime, même de rêver d'aller en Europe. Ce qui est inacceptable ici, on empêche ça et on piétine un certain nombre de principes, notamment le principe de la libre circulation des personnes qui est consacré par le protocole de la CEDEAO. Donc les gens qu'on cherche à empêcher, ce sont en grande partie des gens euh, qui sont issus des pays membres de la CEDEAO. Agadez n'est pas une frontière. De là d'Agadez, euh, les gens peuvent aller encore jusqu'à la frontière libyenne, jusqu'à la frontière algérienne. Ils sont encore au Niger et ils sont dans l'espace CEDEAO. Maintenant, pour entrer en Libye, on peut comprendre que les Libyens posent des exigences, mais en tout cas, le Niger ne peut pas empêcher aux gens d'aller à la frontière euh, libyenne. Les gens quittent leur pays pourquoi ils quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas de perspectives dans ce pays-là, parce qu'ils n'ont pas d'emploi ou ils ne voient pas comment ils peuvent s'en sortir. Donc ils se disent, puisque ça ne va pas ici, nous allons partir vivre ailleurs. C'est leur droit, en fait. Et les gouvernements qui ont créé ces situations-là sont disqualifiés pour euh, tenter d'empêcher aux gens. Si on les fait, ça veut dire que donc l'objectif de ce gouvernement, c'est d'empêcher par tous les moyens aux gens de s'en sortir. Les empêcher de s'en sortir dans leur pays, les empêcher aussi d'aller voir ailleurs. Les autres raisons, c'est aussi... Est-ce que vous pensez que de façon objective, cette marche peut aboutir à un résultat concret Pourquoi ne pas aller secteur par secteur ou problème problème par problème. Je prends d'abord euh, euh, le cas de la situation de, l'école, de l'éducation nigérienne. Comment dirais-je Ces problèmes sont vécus par les gens, soit en même temps, soit euh, de manière sectorielle. Mais ce sont les problèmes aujourd'hui de tous les pays. Et donc, c'est normal que dans ce mouvement-là, qu'on pose tous ces problèmes parce que c'est ça qui constitue, ce sont ces, ces problèmes-là qui constituent vraiment des préoccupations pour tout le monde, pour un grand nombre. Au niveau de l'éducation, qu'est-ce qui est, qui est revendiqué réellement Au niveau de l'éducation, c'est que ce qu'on revendique, c'est euh, de revoir ce qui est en train de se faire. Par exemple, vous savez que un des problèmes aujourd'hui de l'éducation, c'est aussi euh, ces milliers d'enseignants contractuels qui ne sont même pas payés, qui accumulent des arriérés, c'est un problème. C'est aussi la question de la qualité de, l'éducation, c'est aussi la question du financement de l'éducation. Donc euh, nous, on veut qu'on porte plus d'attention à l'éducation dans le pays, qu'on paye ceux qui dispensent l'éducation, qu'on les forme, qu'on mette en place des programmes, des initiatives qui permettent de relever le, niveau, la qualité de l'éducation pour que les enfants ne partent pas à l'école pour rien. Aller à l'école pour rien, c'est aller à l'école euh, pendant des années sans savoir lire et écrire. C'est ça l'objectif, un des objectifs au moins. Aujourd'hui, vous avez des milliers d'enfants qui vont à l'école sans rien apprendre. On veut qu'on prenne des mesures, euh, qu'on essaie de changer. Or, ce que nous constatons, c'est que la situation devient euh, de plus en plus grave d'année en année. Venons sur le budget alloué euh, à l'éducation cette année. Bon, le budget alloué à l'éducation cette année, comme les années précédentes, n'atteint pas la proportion qui a été promise par le président de la République lui-même. Il avait promis au début de son premier mandat déjà euh, de consacrer au moins 25% du budget au secteur de l'éducation. Pendant toutes ces années, on n'a jamais atteint ce seuil-là. Si on prend le dernier budget, on est à peine à 15% du budget qui est consacré à l'éducation. Voilà, vous venez de suivre Moussa Tchangari, un des organisateurs de la marche euh, citoyenne organisée hier soir par une bonne partie de la société civile nigérienne une marche pour dénoncer en quelque sorte l'incapacité du régime à bien diriger le pays. Il faut dire que ce ne sont pas tous les acteurs qui ont appelé à la manifestation d'hier soir. Et parmi eux, il y a M. Abdelmaman Lokoko du réseau des organisations du secteur de l'éducation nationale, Rosen. Nous allons prendre Abdelmaman Lokoko au téléphone et qui nous suit certainement. Bonsoir Abdou. Bonsoir. Oui, vous, vous, nous suivez et vous avez suivi euh, Moussa Tiangari. Tout à fait. Tout à fait, ah, ah, merci, merci beaucoup, merci ah beaucoup euh, d'accepter cet appel téléphonique. Alors, vous avez suivi donc euh, la marche d'hier soir, même si vous n'y étiez pas, en tout cas, vous avez vu le monde qu'il y a eu sur les chaînes de télévision nationale. C'est vraiment une première et vous êtes d'accord que ça a bien réussi, non En termes de mobilisation. J'ai dit une fois encore, ces populistes ont raté le rendez-vous de l'histoire. Est-ce que la marche a mobilisé moins ou pas Non, la marche, contrairement à ce que les gens euh, euh, espéraient, ça n'a pas mobilisé. Ils s'attendaient à 100 000 personnes. On a eu moins de 10 000. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est un succès. Demandez-le. Ils savent qu'ils s'attendaient à 100 000, plus de 100 000 même personnes de, par le tapage médiatique, les portes à porte qu'ils ont fait ils ont pensé effectivement qu'ils allaient avoir plus que ça. Donc à partir de ce moment-là, nous pensons que c'est nostalgique d'un passé révolu. Effectivement, ont raté le coche, ils ont raté le rendez-vous une fois encore avec l'histoire. Alors, oui. Ce n'est pas un succès, cette marche, puisque ils pas, ça n'a pas atteint ses objectifs. Parce que le nombre, je dis bien, qu'ils espéraient, il faut leur demander honnêtement s'ils sont honnêtes, hmm. ils vous diront qu'ils ne s'attendaient pas à ce monde-là. Ils ah. ont dit, les médias qui s'attendaient à voir 100 000, 200 000 personnes. Ensuite, lorsqu'il parle. On va, quitter les chiffres, hein. on va quitter les appréciations. Vous avez écouté Moussa Tiangari, qui est un des organisateurs. Alors, les, raisons, c'est l'éducation, c'est la cherté de la vie, c'est les autres problèmes que tout le monde vit. Hein. Vous êtes d'accord quand même avec eux oui, Est-ce que vous êtes d'accord que le système éducatif ne marche pas, par exemple Non, le Niger, à l'instar de tous les pays du monde aujourd'hui, est frappé par euh, une crise économique. C'est tout à fait euh, euh, compréhensible aujourd'hui que le Niger ne peut pas échapper à ce genre de situation. Si l'école ne marche pas aujourd'hui, c'est le travail en amont ou le résultat en amont de ce que les régimes passés ont, laissé aujourd'hui au, au, régime actuel. Ça, c'est un. Deuxièmement, le président de la République, dans son message à la nation du 18 décembre, il a dit haut et fort oui, mais quand, il s'agit de rentrée, quand il s'agit de rentrée scolaire, c'est quand même euh, pour c'est l'immédiat. Les, élèves ne sont pas à l'école, les enseignants n'ont pas la craie. Même s'il si a un enseignant qui ne rentre pas dans sa classe, je pense que c'est un problème, a fortiori qu'il ait des structures syndicales qui ont demandé que, leurs ne rentrent pas. Donc ça, vraiment, à mon avis, ce n'est pas un baromètre sur lequel les gens peuvent aujourd'hui lier l'année euh, euh, scolaire. C'est clair et net. Donc, et, jeudi, le président de la République a pris l'engagement de régler tous les arriérés de, salaire et il n'aura plus d'arriérés. Donc, à partir de ce moment, il faut le, croire et il faut maintenant accepter que déjà, il, a pris les choses en main. Maintenant, par rapport à la démocratie elle-même, oui, le fait qu'on ait autorisé cette avant, on va parler un peu du système éducatif. Les arriérés, c'est quand le règlement Mais c'est moi, tout, déjà, on a commencé à régler les, les, dans certaines régions. Dans tous les cas, il n'y avait que trois régions. Hein. une partie même d'ailleurs, une partie de Tilaberi, une partie de euh, Maradi et une partie, je crois, de Zander. Donc, dans ces conditions, on hmm. est en train de régler donc les arriérés. Mais l'école, ce n'est pas seulement les arriérés. Vous êtes un enseignant, vous êtes du corps vous savez bien qu'il y a d'autres problèmes qu'il faut régler pour qu'on puisse parler vraiment de Je pense qu'à la rentrée, déjà, le gouvernement a fait un point de presse pour dire que les fournitures ont été transportées et, de et distribuées de façon gratuite. Les enseignants, c'est eux qui ne sont pas au rendez-vous, pour certains. Donc, dans ces conditions, puisque le problème réellement, c'est les salaires, et les salaires sont en train d'être, les arriérés sont en train d'être payés, je pense que pour nous, c'est un début de solution. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on arrive à capitaliser cette expérience-là qui nous a amené à voir que le gouvernement n'a pas pu payer tous les, contractuels en même temps pour qu'il n'ait plus les adhérents. Et quelles sont les autres raisons pour lesquelles vous n'avez pas voulu vous associer aux autres acteurs de la société civile D'abord, le premier élément, c'est au niveau de la gouvernance. Aujourd'hui, le fait même qu'on ait autorisé cette marche, cela signifie que nous sommes dans un état de droit. Et ils ont marché de la place de la concertation euh, euh, de la, la place moi jusqu'à la place de la concertation sans être inquiété. Ils ont dit ce qu'ils pensent. Je crois que le premier droit, c'est le droit, la liberté d'expression, elle est très importante. À ce niveau-là, chacun est rentré chez lui sans être inquiété. À partir de ce moment, le premier fondement tombe. Pour nous, en tout cas, à ce niveau-là, euh, on peut dire que le gouvernement a fait preuve d'un certain courage ou du respect de la Constitution en elle-même. Le deuxième élément sur lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est par rapport à, la vie chère. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, loin de nous de dire que tout, marche bien, mais ce n'est pas un seul seulement du Niger. Des pays comme l'Arabie saoudite qui, à l'époque, ne, ne, s'endettaient pas, aujourd'hui, ils sont en train de s'endetter parce que la crise frappe l'ensemble des pays. Dans certains pays, les gens ça fait un bon bout de temps qu'ils ont euh, diminué les salaires, qu'ils ne payent plus les salaires, et pourtant leurs peuples ne sont pas venus pour marcher pour, vouloir exploiter la situation. Je pense que ce n'est pas normal. Quand, quand votre État a des difficultés, la première des choses à faire, c'est de prier pour que vous en sortez, puisque vous êtes là-dedans. Je reviens à l'école. Ceux qui disent que les enfants qui sont aujourd'hui à l'école sont des enfants du pauvre, oui, ils ont raison. Mais eux, ils n'ont pas leurs enfants justement dans ces écoles là où ils parlent. Ils ont leurs, enfants dans les écoles privées. C'est pas du populisme tout et simple. Ah, du populisme, mais vous êtes d'accord qu'il y a des difficultés finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour réunir tout le monde et puis penser trouver la solution, que ce soit vous, les autres. et puis... Mais, le dialogue, ça se fait à deux. Et ils ont choisi la méthode de marché. Est-ce qu'ils ont choisi le dialogue Il faut chercher à dialoguer. Un État est là, nous avons une assemblée. Qu'ils amènent leurs doléances au niveau de l'assemblée. Les députés sont là, qui sont les représentants du peuple. Le gouvernement est toujours ouvert. La, semaine passée, l'accord qu'il y a eu entre les, les contractuels, la cause, le financement et le gouvernement. C'est le fruit d'un dialogue. Est-ce à dire que le marché peut régler ce genre de situation Je pense que non. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Abdelmaman Lokoko, d'avoir accepté cet appel téléphonique. merci, Amado. Merci. Nous restons ensemble et vous pouvez nous suivre toujours. Alors, il faut dire que les organisateurs de la marche d'hier soir ont eu aussi le soutien de l'opposition, notamment les partis réunis au sein du FRDDR. Alors, je vous propose de suivre tout de suite Falke Bacharou, euh, qui, est du parti RDR. Il explique pourquoi ils se sont associés à la démarche de la société civile nigérienne. Il vous souviendra que le samedi, le FRDDR a eu à organiser une déclaration déclaration au cours de laquelle il a fait appel à tous les citoyens nigériens qu'ils appartiennent à des associations et quelle que soit la nature de l'association ou qu'ils soient simples citoyens de se lever parce que on ne peut pas continuer à regarder le Niger descendre en enfer comme il est en train de faire sans réagir. Il s'agit de notre pays. C'est notre bien commun à nous tous. Il n'appartient à personne d'autre qu'aux Nigériens dans leur ensemble. Par conséquent, un problème se pose. Peut-on laisser une équipe venir débrader tout ce que le Niger a comme valeur Ce n'est pas possible. On peut laisser une équipe venir simplement, euh, n'est-ce pas, détruire ce qui a été construit pendant des années et des années. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, euh, le samedi, le FRDDR a eu à faire cet appel. Une euh, organisation euh, a répondu, elle a organisé cette marche, elle nous a invités. Par conséquent, la moindre des choses, c'est de répondre à cette invitation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le Président, ce n'est pas une, euh, une marche, ce n'est pas une manifestation de l'opposition, c'est une manifestation de la société civile. Je répète, il faut placer les choses dans leur cadre normal. Il s'agit d'un problème qui concerne tous les Nigériens. Quelle appréciation faites-vous de la mobilisation de ce soir Ah mais elle est exceptionnelle et c'est pas fini. Ça c'est pas fini, c'est un début ça. Oui, et les gens doivent se rendre compte que le peuple nigérien est ailleurs qu'avec eux. Que le peuple nigérien n'est pas d'accord avec la conduite des affaires de l'État telle qu'elle est en train de se passer aujourd'hui. Vous venez de suivre Falke Bacharou du parti RDR, euh, le RDR qui fait partie de l'opposition et l'opposition qui a appelé à soutenir la marche citoyenne organisée par un certain nombre d'acteurs de la société civile nigérienne. Falke Bacharou dans des propos recueillis par Mokhtar Hamadou. L'autre aspect de cette édition, c'est cet accord, euh, c'est ce protocole d'accord signé entre le gouvernement et le syndicat national des enseignants contractuels de l'enseignement secondaire SINACES. C'était mardi dernier. Un protocole qui met fin à la grève qu'envisageait d'observer le SINACES pour la satisfaction de sa plateforme revendicative. Quelles sont les grandes conclusions de ce protocole d'accord Nous avons joint hier soir euh, le secrétaire général du SINACES, Chimou Yahya, qui nous explique. Tout d'abord, rappeler que nous avions déposé un préavis de grève qui est supposé lancer aujourd'hui, un préavis de grève de euh, trois jours, dans lequel euh, nous avons mentionné quatre points de revendication qui sont pour nous les revendications les plus urgentes et les plus fondamentales pour les enseignants contractuels du secondaire. Alors, il y en a entre autres la question des arrêts de véhicules, de toute sans savoir que nos camarades un peu partout ont trois à quatre mois d'arrivée de Pékin nous a contraint à déposer la crée parce que quand on n'arrive pas à avoir le pétiles, on ne peut pas, bien sûr, se rendre au lieu du travail parce que le pétiles c'est quelque chose d'alimentaire alimentaire et qui est normalement même non négociable. Voilà. Donc, le deuxième point, se concerne la question des mises en solde de nos camarades recrutés l'année 2014. Le troisième point, c'est celui du lancement du recrutement au titre des années 2015 et 2016. Et ensuite, au niveau des quatre points, nous demandons au gouvernement de créer le cadre pour poursuivre les négociations autour de notre plateforme revendicative. Voilà, en quelque sorte, les points de revendication. Et tous les points ont été satisfaits Pas du tout, mais quand même, nous avons estimé que les taux de satisfaction est assez suffisant pour lever les préavis. depuis, en tout cas, l'année passée, nous avions déposé une dizaine de préavis de grève par rapport à nos revendications. Mais c'est la première fois que nous parvenons à un accord avec le gouvernement. Donc c'est parce que d'abord, par rapport à la question des paiement des arrêts de véhicules, nous ont rassurés qu'ils vont le faire au plus tard le 31 décembre. Ça a commencé et nous avons un œil par rapport à cela et nous continuons de suivre. Sinon, eh, nous pouvons revenir à tout moment eh, pour en tout cas continuer eh, la lutte si tel est que peut-être l'engagement ne sera pas respecté. Par rapport au deuxième point du préavis, la question des mises en solde, ils nous ont aussi euh, rassuré que ça va se faire dans un délai raisonnable. Nous faisons les bénéfices du doute. Par rapport au recrutement, un comité déjà en train d'être créé dans lequel nous avons demandé aussi euh, d'être membres pour euh, essayer de contrôler et défendre les intérêts de nos camarades. Par rapport au dernier point, déjà un calendrier de négociation sur lequel euh, les parties se sont entendus et nous estimons que c'est largement suffisant pour lever à vie. Alors, les pécules qui sont vos principales revendications ont commencé à être payées Oui, ça a commencé euh, principalement dans la région des Anders, pas dans tous les départements, dans la, région de Tiladeri aussi, peut-être incessamment dans la région de, Tout compte fait, nous continuons à suivre de près cette question parce que nous sommes en contact permanent avec euh, nos formations régionales. je dirais je le répète euh, encore une fois de plus, en cas de manquement de la partie gouvernementale à respecter ces engagements-là, nous pouvons à tout moment revenir aux affaires pour en tout cas continuer la lutte au nom des intérêts de nos camarades. Qu'est-ce qui différencie euh, ce que vous avez obtenu, vous, de ce que les causes et le SINACEP ont obtenu du gouvernement Vous me donnez l'occasion une fois de plus de rappeler que le finances, à travers une déclaration, s'est senti non lié au protocole signé avec cause parce que ce protocole-là n'a pas pris en compte certaines de nos revendications les plus fondamentales, entre autres la question de mise en solde, qui n'a pas du tout été évoquée dans les dix communiqués, la question encore du recrutement des enseignants contractuels du secondaire au titre des années 2015 et 2016 n'a pas aussi du tout été évoqué, en tout avec beaucoup plus de précision. Et c'est pour euh, toutes ces raisons-là que nous avons bah, dit que nous ne sommes pas liés à ce protocole. Est-ce que, au vu de ce qui s'est passé, la rentrée c'était depuis euh, septembre, depuis lors, pratiquement, vous n'avez plus repris la craie. Est-ce qu'on peut sauver l'année scolaire 2016-2017 Tout dépendra euh, de la volonté du gouvernement. Et je rappelle à ce titre euh, que le président de la République au plus haut sommet est le garant de la quiétude aujourd'hui dans le système éducatif. Et c'est pourquoi nous lançons une fois de plus un appel à l'endroit du président de la République pour en tout cas, conformément aux engagements qu'il a pris, de faire de l'école en tout cas une de ses priorités. nous estimons qu'ils vont prendre les dispositions nécessaires pour essayer de sauver cette année euh, académique qui en tout cas ressemble à une année blanche si on n'y prend pas garde. Parce que pratiquement euh, au premier trimestre, il y a des écoles dans lesquelles en tout cas on ne peut même pas parler des rentrée. Et si cette situation-là euh, ne trouve pas de solution, nous estimons que le pire serait de se produire parce que nous, nous n'allons pas euh, baisser la garde de façon à continuer à revendiquer les intérêts moraux et matériels de nos camarades. Mais vous ne vous sentirez pas responsable de, de la défaillance ou du moins de l'échec du système éducatif nous, nous sommes en tout cas très souciés de la stabilité au sein du système éducatif. C'est pourquoi nous avions toujours interpellé la partie gouvernementale euh, quand nous déposons un préavis, nous donnons une chance aux négociations. Et même avant de les déposer, souvent nous procédons à des interpellations. Mais malheureusement, euh, euh nous avions tout le temps été en face d'une situation où, bon, euh, on ne nous écoute pas du tout, ou bien on, on ne fait pas de ces préoccupations-là des préoccupations prioritaires. Parce que quand vous regardez ce qui se passe dans les régions, les dépenses liées au paiement des PTT, les régions de Niamey, Maradi et Agadez, qui n'ont pas fourni beaucoup de perturbations, nous avons estimé que cette situation-là a fait beaucoup de mécontents. Et nous, nous avons conscience que nous sommes en face d'une situation où, en réalité, il s'agit d'une lutte de classe. Les enseignants que nous sommes, les élèves aussi, nous sommes tous ici des familles défavorisées. Nous appartenons à cette classe-là prolétaire et nous avons conscience de cette lutte de classe. Et sur cette euh, question-là, nous, nous estimons que nous allons, euh, en tout cas, continuer à nous battre parce que si véritablement les problèmes des enseignants contractuels est résolu, nous estimons que la quiétude et la paix à l'école sera retrouvée parce que ces enseignants contractuels la constituent aujourd'hui plus de 15% des enseignants créés en Et si jamais on continue à appuyer leurs droits leurs intérêts. Nous ne pensons pas qu'on peut retrouver la au niveau du système éducatif. Donc euh, vraiment, nous, nous restons vous par rapport à nos revendications. Nous allons terminer et je vous pose juste une question. Quels sont les échos que vous avez sur la vie de vos militants, les contractuels qui ont 4-5 mois d'arrêt de pécule Comment ils vivent La situation, elle est très grave au point où beaucoup de nos militants, en tout cas un peu partout, sont contraints ou, ou du moins ont été contraints de rejoindre les grandes familles par faute des moyens nécessaires. Et on dit que la famille est, sacrée. Et voilà, c'est un droit constitutionnel. La famille est sacrée. Et voilà une situation qui contraint les paisibles citoyens à se séparer de leur famille. Nous déplorons cela et nous disons que c'est extrêmement grave dans un pays où en réalité les autorités doivent donner le bel exemple. Voilà une situation où des paisibles citoyens sont en train d'être exploités par leur propre État nous estimons que c'est extrêmement grave et le président de la République doit prendre les dispositions nécessaires pour trouver en tout cas une solution définitive à cette question-là. Le secrétaire général du syndicat national des enseignants contractuels de l'enseignement secondaire SINACES sur le protocole d'accord qu'ils ont signé avec le gouvernement. Nous terminons avec du sport et c'est pour découvrir une discipline peu connue au Niger, le triathlon. Pour en parler, nous avons reçu hier soir M. Abdoulaye Moutari Chetima, directeur technique de la Fédération nigérienne de triathlon. Euh, je pense que le triathlon, c'est. C'est l'enchaînement de trois disciplines. Trois disciplines, ah À savoir la natation, la course à pied, et la course à vélo d'abord et la course à pied. Donc, euh, c'est une succession de, disciplines. Vous faites la natation, vous sortez, vous prenez votre vélo, vous faites une certaine distance bien déterminée, et après, vous déposez le vélo, pour continuer à pied, pour faire la course à pied. C'est vrai, c'est une discipline récente, parce qu'elle a intégré le JO en 2000 à Sydney, euh, mais elle est peu connue en Afrique, et bien, bien entendu, parce que actuellement, euh, au niveau du continent africain, euh, on n'a pas 30 pays qui, ont une fédération. Euh, pour le Niger, c'est cette année, c'est en 2016, précisément le 1er avril, que nous avons eu notre agrément pour créer la Fédération nigérienne de triathlon. Et depuis ce temps-là, nous faisons d'abord beaucoup de communication pour que les uns et les autres comprennent c'est quoi cette discipline, à quoi elle consiste. Hmm. Mais euh, d'avril à aujourd'hui, je peux dire que nous avons beaucoup fait. Hmm. On va revenir à ça. Comment est-ce que c'est venu au Niger euh, Bon, comme toute fédération, euh, c'est des rapports d'abord. C'est des rapports parce que le président de cette fédération, il fut resté président du Comité national olympique, le COSNI. Euh, lui, monsieur, monsieur Talata, Talata. Voilà. ce sont des fédérations qui existent, mais seulement il faut qu'il y ait quelqu'un qui va oser euh, créer. Maintenant, s'il arrive à avoir un agrément chez lui, maintenant il envoie cet agrément au niveau international pour qu'il soit reconnu comme euh, fédération, comment on appelle ça, comme une filière en tout cas dans son pays. Vous, êtes directeur technique national. Comment vous êtes arrivé à, pratiquer cette discipline euh, en fait, moi, personnellement, je n'ai pas pratiqué. Mais je suis un spécialiste du sport parce que j'ai une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Euh, quand la euh, le projet de la création de la fédération a commencé, euh, le président Talat m'a fait appel parce que euh, j'ai travaillé sur euh, l'olympisme. En fait, j'ai fait un mémoire sur le comité olympique euh, national du Niger. Donc, pratiquement <laughs> tous les sports, j'arrive à m'en sortir. Donc, il m'a appelé et moi, de part en tout cas, mon bagage, ce que j'ai appris à l'école, j'ai fait des recherches pour comprendre exactement à quoi consiste. Maintenant, le monde est petit avec l'Internet, avec tout. Euh, j'ai pu rapidement euh, retrouver l'historique, euh, les différents règlements de cette discipline. Et partant de là, j'ai commencé à expliquer, à être en tout cas <laughs> l'ambassadeur de cette discipline au Niger. Mais c'est difficile de le défendre euh, Bon, je, dis que c'est rien de facile, hein, rien de facile, mais on fait avec. Et qui fait, qui fait le théâtre au Niger euh, actuellement, nous avons euh, des clubs. Au fait, quand nous avons commencé, nous avons misé sur les, forces armées au niveau de l'armée parce que ils ont une discipline qu'ils appellent triathlon, mais qui n'est pas le triathlon officiel. Et ils font euh, la course à pied, le vélo et le tir. Donc, ils appellent ça triathlon, comme ces trois disciplines. Mais donc, comme déjà ils ont cette notion-là, on a fait appel à eux. nous avons au niveau de la garde nationale du Niger, au niveau des fans, au niveau de la gendarmerie. Euh, on a fait appel à la police aussi. Et il y a d'autres clubs qui se sont créés euh, par la suite. Il y a le club sahélien du Niger, il y a euh, Baleine Bleue, il y a le club Croco. Toi, le Niamey Le tout Le Niamey Donc nous avons actuellement sept clubs de triathlon à Niamey. Mais il faut dire que c'est des clubs qui sont à leur début. Nous sommes en train d'organiser ces clubs-là pour qu'ils soient vraiment des clubs euh, dignes de ce nom et des clubs euh, de triathlon. Rappelez-nous schématiquement le triathlon, comment ça se fait euh, Le triathlon, au fait, c'est, comment on appelle ça, l'enchaînement de trois disciplines. C'est un enchaînement d'endurance. nous avons la natation. On fait la natation d'abord, après la course, à la course à vélo et ensuite la course à pied. Mais il y a plusieurs distances. Il y a ce qu'on appelle les courtes distances et les longues distances. n'est pas une discipline de, pour n'importe qui, hein. il, faut, être, euh, la il, faut, un vélo. Voilà, il faut un vélo et il faut savoir courir à pied. C'est un sport de ceux qui ont les moyens. Non, pas du tout, pas du tout. Je dirais euh, le problème peut-être c'est au niveau de la bicyclette, mais même là, euh, nous en tout cas la politique qu'on a commencé ici, euh, on a essayé de d'organiser des compétitions et en ce sens, on mettait des prix en tout cas qui peuvent permettre aux athlètes de pouvoir euh, euh, se payer en tout cas le petit matériel pour travailler. Par exemple, la dernière compétition qu'on a fait, le premier, il a eu 100 000 francs. Euh, avec 100 000, il peut s'acheter une bicyclette pour s'entraîner. Le deuxième 75, le troisième 50, etc., etc. Et ça fait la quatrième que nous sommes, que nous sommes dans notre quatrième compétition comme ça. Et moi, je pense que c'est pas un problème de moi, mais plutôt un problème de euh, c'est pas c'est pas les moyens, plutôt la volonté. Quand on a la volonté de faire, euh, moi, je pense que rien n'est impossible. Et qui participe au triathlon au Niger euh, En tout cas, nous avons plusieurs catégories d'âge actuellement. nous avons les seniors, nous avons les juniors, c'est-à-dire de 16, moins de 20 ans. Et nous faisons chaque fois, euh, quand nous organisons des compétitions, nous, nous faisons en sorte que euh, d'impliquer les plus jeunes, c'est-à-dire de 7 à 10 ans, euh, des enfants qui ont 7 à 10 ans, on fait, nous, là, on leur fait ce qu'on appelle l'aquathlon. Parce que le, triathlon englobe d'autres sous-disciplines aussi. Il y a l'aquathlon qui consiste à nager et à courir à pied. Il y a le, le diathlon qui consiste à eh, courir à vélo et à pied, ça la natation. Donc, et les petits-enfants, comme ils sont fragiles, on ne veut pas tout de suite leur donner des vélos pour euh, pédaler, mais on leur fait l'aquathlon, ils, ils, nagent, ensuite ils courent et on les classe. Hommes-femmes, tout le Hommes, monde. femmes oui, hommes femme. Les femmes, c'est. Oui. C'est toute une euh, équipe ou bien c'est quelque Bon, oui, euh, dans les équipes euh, civiles surtout, euh, nous avons des, des, jeunes filles, mais ils ne sont pas à, un nombre assez important pour le moment. Mais nous sommes en train de créer les conditions pour que les filles aussi s'intéressent à cette discipline C'est très difficile de faire connaître une discipline comme le triathlon. Comment vous êtes arrivé à ces résultats Apparemment, vous êtes satisfait de ce que vous avez déjà Oui, oui. Vous savez, d'abord, euh, la stratégie, c'est de penser à communiquer. Parce que notre première arme, nous, c'était la, communication. En fait, il faut communiquer, il faut que les gens sachent ce que c'est pour qu'ils s'intéressent. Et nous avons commencé par faire une démonstration, une compétition de démonstration qui a consisté à faire 750 euh, euh, mètres de natation, 20 km dans la ville de Niamey à vélo et 10 km à pied on a sillonné la ville. C'était une démonstration. Les gens étaient curieux. En tout cas, ça a suscité une certaine curiosité. Et dès lors, les gens se demandaient c'est quoi. À peine ils prononçaient le triathlon, etc., etc. Mais finalement, les gens ont commencé à s'intéresser. Et petit à petit, nous avons euh, connu beaucoup d'adhérents qui viennent vers nous, des gens qui viennent, en tout cas d'eux-mêmes, qui s'inscrivent euh, pour les compétitions de façon individuelle. Euh, et c'est parti comme ça. Mais comment peut-on reconnaître quelqu'un qui a nagé dans dans un club, euh, enfin, quelque part, et qui ressort sur, sur un vélo. Non, il y a, au fait, pour une compétition, nous, par exemple, ici, pour une seule compétition, je mobilise au moins 65 personnes. Comme membres jury et bénévoles. Ça, c'est le minimum. Hein. Et même là, c'est parce qu'on est limité par les moyens, sinon ça dépasse. On peut, c'est une, c'est, c'est, logistique qu'il faut mobiliser pour encadrer ça parce qu'il y a le jury de natation qui est là, eux, ils sont là pour compter les tours des nageurs et chacun a un nageur à sa charge. Il coche le nombre de tours et dès qu'il sort, il y a le jury de course à vélo avec un chef juge qui gère la compétition de, de, vélo quand ils vont déposer le vélo. Et là où ils déposent le vélo, c'est ce qu'on appelle la zone de transition. Là aussi, il y a un dispositif qui est là. Il y a des gens qui sont chargés de contrôler comment rentrer, comment sortir de cette zone de transition-là. Où est-ce qu'il faut déposer le vélo Parce que quand tu prends ton vélo à la place 5, tu dois le ramener à la place 5. Tu dois, si tu le déposes quelque part, tu es disqualifié. Mais apparemment, hein, le, triathlon a de beaux jours devant lui. Bien sûr. vous avez participé récemment euh, au tournoi international de Dakla, au Maroc, Effectivement. effectivement. Combien d'équipes euh, On est parti avec deux athlètes, deux ah. triathlètes. Deux, triathlètes. Deux triathlètes. Qu'est-ce que vous avez comme résultat Bon, écoutez, par rapport à, avant de venir à la compétition, au fait, tous ces efforts-là nous ont valu, en tout cas, euh, de la part de la Fédération internationale de triathlon, un stage. Euh, nous avons bénéficié d'un stage euh, dans le mois de septembre où on a formé 24 activateurs de triathlon ici au Niger. Et c'est de là qu'on a commencé vraiment à connaître exactement, de façon concrète, en tout cas, les différentes compétitions qui peuvent être organisées sur le continent. Et récemment, la Fédération royale marocaine de triathlon, euh, de sport pour tous plutôt, nous a envoyé une invitation pour assister au triathlon international de Dakla. Et là, rapidement, nous avons organisé une compétition à l'issue de laquelle nous avons sélectionné deux, le premier et le deuxième. Le premier, c'est Issouf Chebou, il est de la garde nationale du Niger. Et le deuxième, il s'appelle il s'appelle Sani Bourema. Uniquement des hommes Des hommes, oui, des hommes. Il n'y a pas eu de femmes Il n'y a pas eu de femmes parce que... Elles ne sont pas euh, non, au fait, euh, c'est vrai, il faut, on est parti pour participer, mais il ne faut pas aller pour euh, se ridiculiser. Il faut amener des gens qui, dont nous sommes sûrs qu'ils peuvent au moins tenir les distances, parce que nous sommes en début, effectivement. Nous ne sommes pas partis pour chercher une place là-bas. Non, nous partons pour apprendre. C'était ça l'objectif. nous avons fait les déplacements, tout s'est bien passé jusqu'au jusqu'à la compétition, mais la la mauvaise donne en fait c'est que nous on n'est pas parti avec euh, des matériels, on n'est pas parti avec nos vélos. Et euh, pourquoi Parce que vous n'avez pas les moyens ou bien... Non, non, euh, on a les vélos, mais quand même, eh, les vélos qu'on a euh, ici, c'est des vélos dont moi, personnellement, de façon technique, je ne suis pas en tout cas convaincu que ces vélos peuvent répondre à nos compétitions d'envergure internationale. Donc nous avons saisi l'organisation avant de partir pour leur demander est-ce qu'il y aura des vélos qui peuvent être à notre disposition euh, pour l'organisation. D'habitude, dans des compétitions internationales, soit vous partez avec vos matériels ou vous trouvez les matériels sur place euh, déposés par l'organisation. Ils nous ont dit qu'il y avait effectivement une agence qui amène des vélos pour location. On a dit qu'il n'y a pas de preneur. Mais malheureusement, l'agence a calculé parce que Dakar se trouve à deux heures de vol de Casa. C'est une ville qui est vraiment très éloignée. Mmh. <laughs> Donc, euh, ils ont, ils ont jaugé, ils n'ont pas pu, euh, comment on appelle ça, déplacer les vélos. Et malheureusement, nos deux euh, triathlètes n'ont pas pu compétir. Donc, la fédération n'a pas les moyens, comme les autres disciplines. Oh, notre fédération Oui, la fédération de triathlon nigérienne. Euh, les moyens de, de, de, de, payer les vélos Oui, les, les vélos. non, on a payé des vélos récemment. On a payé 20 de, vélos. qualité euh, C'est des vélos pour des entraînements. En fait, ce ne sont pas des vélos qui peuvent nous permettre de faire une compétition. Parce que pour faire une compétition, les vélos sont. Il y a un comité qui suit, qui regarde si vraiment les, euh, la bicyclette répond aux normes pour permettre aux triathlètes de monter. Mais nous sommes sur la voie de chercher en tout cas une, deux ou trois bicyclettes qui vont être euh, consacrés uniquement pour, euh, euh, comment on appelle ça mhm. Oui, beaucoup de disciplines se plaignent qu'il n'y ait pas d'aide, notamment de la part du gouvernement. Est-ce que vous, vous êtes d'abord connu et puis est-ce que vous avez des soutiens Oui, nous sommes connus parce que nous sommes une, fédération. Est-ce que l'État vous aide Ça, c'est général. Hein. Moi, je pense que c'est un débat <laughs> c'est un débat qu'on connaît et qui ne mérite même pas d'être posé. Moi, je pense que par rapport à, l'appui de l'État, si on va compter sur l'État pour développer une discipline au Niger, elle ne sera jamais développée. Donc, vous avez la volonté. depuis qu'on est créé, personne ne nous a donné un franc parce que l'avantage que nous, avons, nous avons très vite compris qu'il faut chercher soi-même ses moyens. Vous avez la, volonté. nous avons la volonté et nous avons cherché un sponsor. Nous avons un sponsor qui nous appuie et c'est avec euh, ce sponsor que nous faisons toutes nos activités. Et comment, en un mot, comment vous voyez l'avenir du triathlon Le triathlon a des beaux jours devant avec lui. la lutte, le football euh, En tout cas, nous, euh, disons ceci, notre objectif, c'est de faire du triathlon euh, l'un des sports, en tout cas le plus populaire. Et c'est possible. Voilà le triathlon expliqué par notre invité Moutari Chetima, euh, directeur technique de la Fédération nigérienne de triathlon. Ici prend fin ce forum. On se retrouve demain avec d'autres thématiques, dont l'interview du promoteur du FIMA Al-Fadi que nous n'avons pas pu suivre ensemble. On se retrouve donc demain. Vous le suivrez avec d'autres choses. Merci. Bonne soirée. うん。